Le maire de la Médina n'a pas manqué le sous-préfet de Dakar Plateau. En sitting, Fall dénonce ce qu'il qualifie de dérive autoritaire et abus de pouvoir d'un sous-préfet. Sous-préfet, Jacques de Jacques Boer Jacques Bourre, la et yemale fii fii Jacques Boer bu fi ñëw dina fekk Vraiment, nous avons des problèmes avec ce sous-préfet. Il nous fatigue. Il a une fois même signé une autorisation de démolition et je lui ai fait savoir qu'il n'en avait pas le droit. Le sous-préfet se mêle de tout. Vraiment, du maire, il se croit le patron des maires. Bamba Fall déverse ainsi sa colère sur le sous-préfet Yibi qui serait à l'origine des blocages liés à son projet de modernisation du marché Tilena. Marché leen am na jamono ju ñu yëkkati nañ ko fiy liggéey mais dañ ñoo jaxasee commerçant yi ñu fi xeex ak la ko maa ngi leen jaratu ko te dinañ waxtaan ndax marché ti leen J'avais entamé les travaux du marché Tilène, mais on nous a mis à mal avec les commerçants qui ont manifesté en brûlant des pneus. Alors j'ai tout laissé tomber et j'ai priorisé les concertations. Toutefois, je veux être clair, je suis contre la commercialisation des cantines. Beaucoup de bâtiments sont vétustes. C'est pourquoi j'ai décidé de moderniser ce marché pour éviter le pire. Moderniser courant le maire Bamba Fall en a également profité pour régler ses comptes avec certains leaders du parti au pouvoir qui l'accusent d'avoir encaissé 40 millions de francs CFA du président Macky Sall. politiciens Bamba Fall Macky Sall je m'adresse aux politiciens qui véhiculent l'information selon laquelle j'ai encaissé l'argent du président Macky Sall c'est faux je n'ai reçu aucun franc du président Macky Sall. Je vais être clair, des politiciens apéristes disent que Macky Sall m'a reçu et m'a remis 40 millions de francs CFA. C'est faux, il n'en est rien. Macky Sall yebuma ko yeb gu toll ni lekk 40 millions taxaw di waxe ni lekkuma ñaar dërëmu kenn jëluma postu kenn diguma kenn de francs mënul